The forum du studio the forum du studio Calambrou the forum du studio Calambrou the forum du studio Calambrou the forum du studio the forum du studio the forum du studio the forum du studio the forum du studio the forum Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangu. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du forum du Studio Kalangu. Le Studio Kalangu que vous écoutez à travers le réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger. Le Studio Kalangu est également suivi par l'intermédiaire de nos radios partenaires d'Arlit, de Chirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Ce soir, nous allons consacrer une partie du forum sur, pour les uns, l'accaparement des terres dans le bassin du lac Tchad au Niger et où le projet d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Komadougou et du lac Tchad pour les autres. Il s'agit du fameux accord de partenariat public-privé pour l'obtention en bail de 120 000 hectares de terres agricoles et pastorales dans la région de Difa que la société saoudienne al horaïch négocie depuis 2014 en partenariat avec le conseil régional de Difa. Un projet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique sur le bien fondé ou non de ce projet. Afin de permettre à nos auditeurs de se faire leur propre opinion sur le sujet, nous recevons comme invité Diori Ibrahim, coordinateur de l'Observatoire du droit à l'alimentation au Niger qui a sorti récemment un rapport sur cette question de bail de terre à Difa. Il est là avec nous au studio. Bonsoir à Ibrahim Djori. Bonsoir Donc vous restez avec nous pour suivre le forum en attendant d'arriver à cette partie consacrée donc à la mise en bail de terre dans la région de Difa. Le second invité pour discuter toujours de cette question sera avec nous en ligne M. Mayrou Malam Ligari, président du conseil régional de DIFA, l'un des acteurs principaux impliqués dans ce processus de mise en bail des terres à la société al huraish en fin de partie, nous allons parler de l'élection du président guinéen, professeur Alpha Condé, comme président en exercice de l'Union africaine et du ministère tchadien des Affaires et du ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mamad, à la présidence de la Commission de l'Union africaine. C'était lors du 28e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine qui a pris fin hier mardi à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'organisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce forum que nous ouvrons d'abord avec le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a vu l'élection du président guinéen professeur Alpha Condé comme président en exercice de l'Union et le ministre tchadien aux Affaires étrangères Moussa Fakima Mata à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ce soir, nous revenons sur les appréciations et les commentaires que suscitent ces, changements intervenus à la tête de l'UA. À ce sujet, Mokhtar Amadou, notre euh, reporter, s'est entretenu avec le diplomate nigérien Abdou Garba, ancien ambassadeur du Niger en France et en Allemagne. Pour lui, les deux personnalités élues méritent le soutien de tout le continent africain. Suivez. Abdou Garba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le 28e sommet de l'Union africaine a consacré l'élection du ministre tchadien des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat comme étant le nouveau président de la Commission de l'Union africaine et du président guinéen, professeur Alpha Condé, comme présidente en exercice de l'Union africaine. Quel commentaire cela suscite en vous Je pense que l'élection du ministre des Affaires étrangères du Tchad la présidence de la Commission de l'Union africaine est une bonne chose pour le Nigérien que je suis. Le Tchad est un pays voisin qui connaît et vit les mêmes problèmes que le Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Tchad est dans sa neuvième année à ce poste, ce qui veut dire qu'il connaît les enjeux auxquels l'Afrique en ce moment doit faire face, et particulièrement les problèmes de sécurité, de paix et de développement. En ce qui concerne le professeur Alpha Condé, je pense que là aussi, nous avons à la tête de l'Union africaine un président expérimenté qui, évidemment, avant d'être président, a mené une longue lutte pour le triomphe de la démocratie dans son pays. Je pense que là aussi, c'est un facteur positif pour l'Union africaine. Est-ce que, selon vous, l'élection du ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahaman, est la résultante de la diplomatie active euh, au Tchad et de son engagement aux côtés des autres pays voisins et frères de la sous-région sur le plan sécuritaire et militaire oui, incontestablement, le président Idriss Déby a aidé l'Afrique dans sa lutte contre le terrorisme en général et en particulier contre le terrorisme djihadiste. Je pense que l'engagement des troupes tchadiennes au Mali, aux côtés du peuple malien et aux côtés des troupes envoyées par le Niger, a permis donc au Mali d'être actuellement relativement en paix. Parce qu'au départ, tout le monde sait que la situation a été critique. Évidemment, il y a eu l'intervention de la France, mais il faut reconnaître le rôle positif joué par les armées africaines présentes au Mali, dont notamment l'armée tchadienne. Et en ce qui concerne le côté Libye et le côté Nigeria avec Boko Haram, là aussi, le Tchad joue un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité dans ces différentes zones. Je pense donc que cet engagement du Tchad, que nous devons évidemment à la volonté du président Idriss Déby d'aider l'Afrique dans le maintien de la paix et de la sécurité sur notre continent, a été un des facteurs qui ont sans doute poussé les pays africains, en majorité, puisqu'il a été élu aux deux tiers des voix, à choisir le ministre des Affaires étrangères du Tchad comme président de la, Commission de l'Union africaine. On sait qu'il y a beaucoup de défis qui attendent ces deux personnalités. Et quels sont principalement les chantiers sur lesquels ces deux personnalités sont les plus attendues ici en Afrique Bon, incontestablement, je pense que ces deux personnalités sont attendues dans le domaine du maintien de la sécurité et de la paix en Afrique, ce qui est évidemment un facteur indispensable dans la lutte contre les problèmes de développement, puisqu'on ne peut pas avoir de développement sans sécurité, parce que les moyens dont nous disposons en tant que pays africain ne nous permettent pas de faire face aux besoins énormes que nous avons sur le plan économique. Et nous faisons donc appel à des partenaires étrangers qui ne s'engagent pas dans les pays où la paix est troublée et où la sécurité ne règne pas. C'est pourquoi je pense que le maintien de la paix et de la sécurité et les problèmes de développement économique et social constituent les deux priorités du président en exercice de l'Union africaine et, en tout cas à mon avis, et de l'actuel président euh, donc de la Commission de l'Union africaine. Vous parlez des questions du développement euh, socio-économique. Est-ce que l'immigration, le phénomène migratoire fait partie de ces, de ces points précités Oui, le phénomène migratoire ne doit pas être ignoré. Évidemment, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. En tant que diplomate et ambassadeur qui a exercé en Europe occidentale, notamment en France et en Allemagne, je sais ce que c'est que l'immigration des pays africains vers les contrées plus développées que sont l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Nos jeunes qui s'en vont du continent africain sont poussés par le désespoir, le chômage, le manque de perspectives alléchantes euh, pour l'avenir. Et c'est pourquoi ces jeunes prennent le risque de traverser le désert, d'embarquer sur des bateaux qui n'ont de bateau <laughs> que le nom, pour essayer de gagner l'Europe. Et nous savons l'hécatombe que cela représente pour les populations africaines. Donc, moi, je pense que nous devons prendre nos dirigeants et l'Union africaine surtout doit prendre en main ce problème pour que les efforts au niveau du continent soient coordonnés pour lutter contre l'immigration clandestine et surtout pour amener ses partenaires étrangers, ses partenaires des pays développés à nous aider à combattre les problèmes du sous-développement. Parce que si nous arrivons à améliorer la situation économique de nos pays, je suis convaincu que nos jeunes ne vont pas aller à l'aventure comme ils le font actuellement. Donc il ne faut pas qu'on oublie cet aspect. Lutter contre l'immigration, ce n'est pas seulement des mesures coercitives qui consistent à empêcher à ces jeunes de partir de leur pays ou de quitter le continent africain. Nous savons tous que ces pays développés et si on prend aujourd'hui les États-Unis, nous savons ce que le président est en train de faire, le nouveau président. C'est un pays d'immigration. Et ceux qui sont partis pour constituer les États-Unis d'Amérique, les Européens ont été chassés par la faim, la famine, les guerres de religion, les guerres entre États. Et c'est comme ça que ces gens-là sont partis aux États-Unis d'Amérique, leurs ancêtres. C'est aujourd'hui, c'est leurs descendants qui, sur le plan économique, dominent ce monde et même sur le plan militaire et essayer de régenter ce qui se passe sur le plan international. Je pense que ça, il faudrait que nos chefs d'État aient le courage de dire en face, face à ces grands pays, que le problème de l'immigration clandestine est aussi un problème européen, un problème des pays occidentaux. Il faut que les pays occidentaux soient souples, qu'ils acceptent de nous aider en toute sincérité pour créer des investissements, de grands chantiers de nos pays, où tout reste à faire. S'il y a des grands travaux de nos pays et qu'on arrive à employer nos jeunes, je suis convaincu qu'ils préféreraient rester dans leur pays que d'aller à l'aventure où ils ne sont même pas sûrs d'arriver à destination. Sur le plan économique, euh, l'élection de ces deux personnalités intervient dans un contexte où, dans beaucoup de capitales euh, africaines et européennes, beaucoup d'Africains pensent que le franc CFA doit être euh, abandonné au profit d'une monnaie sous-régionale ou bien d'une monnaie africaine. Que pensez-vous par rapport à cette situation Oui, il y a très longtemps que nous travaillons avec le franc CFA qui, aujourd'hui, après avoir été garanti, par le franc français, l'est aujourd'hui par l'euro, qui est une monnaie de l'Union européenne. Nous sommes indépendants depuis 1960. Nous avons appris, en tout cas à ma connaissance, à nous organiser. Il est peut-être temps que nous tentions aussi des initiatives sur le plan monétaire, parce que tout le monde sait que la monnaie est un facteur important de l'indépendance et surtout un facteur de développement sur le plan économique. On ne peut pas continuer, on ne peut pas contrôler ce qui se passe sur le plan économique réellement dans son pays quand on ne maîtrise pas le domaine monétaire. Or, le domaine monétaire, c'est vrai, nous participons à la gestion du franc CFA, mais nous ne sommes pas les seuls. Et ce qui se passe en Europe aujourd'hui sur le plan monétaire a nécessairement des répercussions en Afrique, surtout dans la zone franc, parce que nous sommes directement liés à l'euro. Si l'euro monte, c'est une bonne chose, bonne ou mauvaise. Si l'euro perd de sa valeur, ça peut être une chose bonne ou mauvaise pour nos pays. Et en général, s'il y a hausse de la valeur de l'euro, nous nous perdons, puisque nous ne sommes pas des pays industrialisés. donc nos produits, les prix sont plus ou moins fixés à l'avance par les bourses de ces partenaires développés. Donc nous, nous n'avons même pas à jouer sur le cycle monétaire, comme jouent ces les capitalistes de ces grands pays. Quand il y a hausse ou baisse au niveau des États-Unis, ils savent comment faire pour que ça rapporte quelque chose au pays. Mais nous, ici, nous n'avons aucune action, nous ne pouvons faire aucune, entreprendre aucune action qui puisse permettre aux francs CFA de jouer ce rôle dans les pays de l'UOMA. C'est pourquoi je, vois, je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse effectivement à trouver une nouvelle formule qui puisse permettre à nos pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, économique et monétaire ouest-africaine, d'avoir plus d'impact sur l'action économique et monétaire dans notre sous-région. Passons à présent à la situation politique euh, au plan sous-régional et régional. L'un des points euh, sur lesquels euh, sont attendus ces deux personnalités, c'est aussi la question liée à la démocratie qui est source d'instabilité dans beaucoup de pays africains. Oui, la démocratie est sans doute une bonne chose pour nos pays, contrairement à ce qu'on fait croire que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Je crois que cela dépend du comportement des classes politiques. si réellement ceux qui aspirent à diriger nos pays s'organisent et s'entendent bien, je pense que la démocratie peut progresser. L'essentiel, c'est que nous ayons foi dans nos institutions que nous mettons en place. Évidemment, quant à l'approche d'élections législatives ou présidentielles, ceux qui sont à la tête du pays se mettent à vouloir réviser les textes, ça crée une atmosphère de méfiance qui amèneront ceux qui sont de l'opposition, après la proclamation des résultats, à contester ces résultats. Donc, si les dirigeants dans tous nos pays africains font les choses, euh, notamment les élections démocratiquement, dans la transparence, en respectant les textes qu'ils ont eux-mêmes mis en place, je pense que nous pouvons arriver à consolider la démocratie. Si aujourd'hui les États-Unis ont un régime fort, c'est parce qu'ils n'ont pas touché à leur constitution. En tout cas, l'essentiel de la constitution de 1789 est resté tel quel. Et c'est dans tous les pays où la démocratie s'est consolidée, c'est que la constitution qui est la base ne change pas euh, au gré des politiciens. Or, en Afrique, malheureusement, c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous entendre entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui luttent contre le pouvoir au niveau de l'opposition. Si nous respectons nos textes fondamentaux, si nous respectons nos institutions, si nous garantissons l'indépendance de la justice, je pense que la démocratie peut être consolidée en Afrique. Et ce rôle, le rôle de sensibilisation revient à l'Union africaine, à des sous-organismes, à des organismes sous-régionaux comme la CDAO, pour que nos dirigeants s'en tiennent à ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Parce qu'il n'est pas toujours possible de vouloir garantir le respect de la démocratie par des interventions étrangères. Ce n'est pas une solution. Il faut que la démocratie soit garantie par la volonté des citoyens de nos pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé en, Gambie, c'est vrai, le président Barrault est actuellement au pouvoir, mais il a demandé à la force envoyée par la CDAO de demeurer, je crois, sur place pendant six mois. Ce qui veut dire qu'il n'a pas tout à fait confiance. Or, si on est démocratiquement élu, on est censé avoir l'appui de la majorité du peuple. Et quand on a la majorité du peuple, on ne doit normalement pas avoir peur de son peuple. Abdou Garba, on vous remercie. Voilà, je vous remercie. Vous, vous venez de suivre Abdou Garba, diplomate nigérien, interrogé par notre reporter Mokhtar Hamadou. Restons toujours dans ce chapitre de l'élection à la tête de la Commission de l'Union africaine et à la tête de l'Union africaine elle-même du professeur Alpha Condé, le président guinéen, et Mahmat Moussa Faki, le Tchadien, le ministre tchadien des Affaires étrangères. Une des élections positivement appréciées au niveau du Tchad Selon le recteur de l'université Denjamina, Ali Abdraman Hagar, l'Afrique a tout simplement fait un bon choix en plaçant ses deux éminentes personnalités pour présider aux destinées du continent africain. Il est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou. Professeur Ali Abdraman, bonsoir. Bonsoir. Le 28e sommet de l'Union africaine a consacré l'élection de Moussa Faki Mahamat au poste du président de la Commission de l'Union africaine et du professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Quel commentaire cela suscite en vous, professeur Tout d'abord, euh, c'est une immense euh, joie de voir un ami de très longue date, un ami d'enfance, accéder à ces niveaux euh, au service d'une Afrique euh, qui doit retrouver le chemin de la paix et de l'unité. Euh, je suis aussi doublement heureux de voir le professeur Alpha Condé qui, après de longues luttes, pour euh, la paix, la démocratie et le respect des droits de l'homme en Afrique et en Guinée. Accéder euh, à ce niveau et présider donc euh, au destiné de, de, notre continent pour une année, je me dis que la Providence sait faire ce qu'elle veut faire et à travers l'arrivée de ces deux personnages qui sont compétents, universitaires, panafricanistes dans l'âme et le comportement, expérimentés, dotés du sens euh, nécessaire au management des hommes. Arriver à ce niveau, c'est une très très bonne chose pour l'Afrique et pour le Sahel. Euh, ne l'oublions pas, qu'il s'agisse de la Guinée ou du Tchad, nous sommes tous de la même culture, une culture sahélienne reconnue pour son caractère pondéré, pour son côté pondéré. Je sais que la pondération et la tempérance de la culture de ces deux Sahéliens apportera beaucoup de choses dans le traitement des grands sujets et des grands dossiers euh, qui sont ceux de l'Afrique. L'Afrique est traversée par des chiffres énormes, par des conflits énormes, mais ne soyons pas afro-pessimistes. Il y a quand même le bon côté euh, de la médaille. On a vu comment euh, la Gambie s'est libérée de son despote. On a vu comment les alternances politiques se font avec beaucoup de tranquillité au Ghana, au Sénégal, au Niger, un peu partout en Afrique occidentale et ce sera aussi le cas, je l'espère bien, en Afrique centrale qui est un peu le ventre mou de notre Afrique. Tout ça, la présence de Moussa Faki, euh, du professeur Alpha Condé, va contribuer à faire quelque chose, à amener quelque chose de nouveau et à... maintenant il y a des sujets qui vont attendre nécessairement le professeur Alpha Condé, président de la, de la commission. C'est l'emploi jeune. Professeur, avant d'en arriver là, avec euh, l'élection de Moussa Faki Mahamat, est-ce que c'est la diplomatie tchadienne euh, qui a beaucoup pesé euh, par rapport à son élection il faut reconnaître un grand mérite au président Idriss Déby qui a quand même toujours été Africain, euh, chaque fois que l'Afrique est secouée par un problème, qui s'est toujours porté euh, volontairement aux côtés de ses frères africains pour apporter des solutions aux crises Qui connaît l'Afrique. Et je crois que c'est le mérite d'un homme qui a su faire de la diplomatie active qui a toujours dit les choses euh, concrètement. D'ailleurs, pour ne pas faire une publicité gratuite à Jeune Afrique, je suis en train de lire le dernier numéro où il est question d'une longue interview du président Idriss Déby et des questions sur la Libye, sur le terrorisme, sur la crise financière, sur le franc CFA, sur l'armée et tant de choses. Donc, le président Idriss a été à la hauteur, franchement, de sa mission. Et si Moussa Faki est aujourd'hui à ce niveau, c'est quand même en partie grâce à la sagesse euh, du président Idriss Déby, à son côté intervention constructive au service de l'Afrique. Vous ne sans ignorer, euh, nous au Niger, nous au Niger et nous au Tchad, nos armées ont contribué avec le sang et la sueur pour que le terrorisme connaisse aujourd'hui le niveau qui est le sien. Et ça, c'est aussi sahélien. Vous n'allez pas me prendre en défaut d'être orgueilleux en tant que sahélien, mais je pense que de ce point de vue, le Niger, le Tchad, le Mali, euh, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Soudan, certains pays d'Afrique de l'Est ont été à la hauteur de ce que l'État peuples du Sahel, en matière de générosité, en matière de donner de soi pour euh, régler les problèmes du voisin. Donc, euh, euh, je dis honnêtement, et M. qui a été quand même pendant 10 ans le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Et donc, il a eu à travailler de très près avec le président Déby. Il a déjà été avant ça son premier ministre. Il a été son directeur de cabinet. Il a été euh, ministre, etc. Donc, c'est quelque chose de fond. Et il a dû apprendre beaucoup auprès du président Idriss Déby. Et s'il y a quelque chose que nous tous qui avons travaillé avec le président Déby et qui continuer de travailler, ce qu'on a appris auprès de lui, le savoir écouter. C'est une grande attention et c'est pourquoi, sinon, ce n'était pas gagné d'avance. Le candidat du Sénégal, le professeur euh, Batili, n'est pas c'est pas du gâteau. Donc, mais euh, le président Idriss a un peu plus d'expérience. Il a démontré qu'il a un peu plus d'expérience que le président chez les autres. Et voilà, ça, a apporté son coup. Généralement, quand on sort de la présidence de l'Union africaine, c'est pas toujours évident que son compatriote accède à ces niveaux. Mais euh, bon, en tant que musulman, il faut dire aussi certaines choses sont tout à fait écrites et quand euh, c'est écrit, euh, quelles que soit le, difficulté, c'est écrit. Alors, euh, professeur, quels sont les défis qui attendent ces deux personnalités concrètement il faudrait qu'ils redonnent espoir, surtout à la jeunesse africaine. Nous sommes dans un siècle où le monde traverse des moments difficiles à travers la présence d'un Trump qui ne reconnaît même pas à l'Afrique le droit à l'existence. Vous avez une Europe qui s'enferme avec les extrêmes. Moi, je pense qu'il faut que le président Alpha Condé et le président Moussa Faki se mettent dans la dynamique de redorer le blason de cette Afrique qui est très riche en ressources humaines, euh, riche en compétences, riche en ressources minières et, minérales. Euh, il faut redonner à l'Afrique sa fierté. Il faut euh, montrer aux autres, et nous avons des partenaires qui sont prêts à nous accompagner, les Chinois, les Français, les Européens, montrer à Trump, par exemple, qu'il est en train de se tromper c'est un jeu de mots assez intéressant. Travailler sur euh, une jeunesse, parce que là, dernièrement, au niveau de Addis Abeba, il y a eu une réunion assez intéressante sur le, les dividendes démographiques de notre Afrique. Il faut voir le verre à moitié plein, ne pas parler de nos de nos malheurs comme on a l'habitude souvent de le faire et mettre l'argent euh, là où euh, il faut le mettre. Et je crois que ça a résumé en quelque sorte sa vision de cette Afrique qu'il aura à diriger avec le professeur Alpha, euh, qui est euh, un grand militant, il faut mettre l'argent dans l'école. Il faut que l'école africaine soit à la hauteur de l'espérance de l'Afrique. Et c'est pourquoi Moussa a dit quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé. Il a dit qu'il faut que le, les bruits de bottes et de la guerre cessent afin que les hymnes de la culture remplace celui des bottes. Et cela est possible. Vous avez aussi bien au Tchad, au Niger, un peu partout, en Afrique du Sud ou au Nigeria, des compétences qui attendent d'être révalorisées. Et c'est pourquoi moi je crois qu'avec la nouvelle vision d'un certain nombre de leaders africains, l'espoir est permis. Imaginez un peu dix ans en arrière, est-ce qu'on aurait aussi facilement réussi le départ de M. Yahya Djamé C'est impossible. Est-ce qu'on aurait réussi ce que nous sommes en train de réussir au Niger ou au Tchad C'est impossible. Il faudrait qu'on arrive à cultiver dans le comportement des Africains, dans le comportement des jeunes surtout, cette culture de l'espérance. Il faut arrêter de penser que le bonheur est ailleurs, que le bonheur est outre-Atlantique, que le bonheur est aux États-Unis. Maintenant que l'Amérique elle-même, ce pays ouvert qui a été développé par nos enfants, que cette Amérique qui est en train de se fermer, la France se referme, l'Allemagne un peu ouverte, mais elle risque aussi de s'enfermer il faudrait que les jeunes comprennent que le bonheur n'est pas là-bas, le bonheur n'est pas outre-Atlantique, le bonheur est ici au Niger. Le bonheur est au Tchad, il est au Mali. Le bonheur se construit et il faudrait nécessairement que nos leaders, nos présidents se mettent dans la tête que dans une certaine mesure, et moi je le dis en tant qu'universitaire, peut d'être le président des pays où les citoyens doivent tout le temps chercher à s'enfuir. Il faudrait qu'on dise clairement aux Africains, ne vous enfuyez pas. Et pour cela, nous devons bien gérer. Moi, je pense qu'il faut qu'au niveau de la, gouvernance, au niveau de, l'Union africaine, qu'on mette une certaine notation de nos économies. C'est vrai, il y a le maillet, il y a le mécanisme d'évaluation par le père, mais il faut aller un peu au fond des choses. Il faudrait que des indices comme des indicateurs comme ceux de mots soient appropriés par la base pour qu'on dise dans quel pays la gestion est nickel. Dans tel pays, il y a beaucoup de vols. Dans tel pays, il y a la corruption. Avec la corruption, on ne crée pas de possibilités d'emploi. Mais quand il y a la bonne gouvernance, il y a de l'emploi un peu partout, etc., etc. Nos universités, il faut qu'on les appuie à tous les niveaux, mais il faut mettre surtout l'accent sur les filières scientifiques, sur les filières techniques, n'est-ce pas Et là, on n'aura pas besoin d'importer outre euh, frontière des gens juste pour nous réparer euh, des vannes qui sont cassées on va les chercher euh, en Chine, on va les chercher en Inde. Nous devons avoir l'expertise à l'intérieur. Cela passe nécessairement par un bon investissement dans l'école et plus précisément dans les écoles de métiers. Et il faut arrêter aussi que le débat ne soit que porté par RFI ou la BBC. Il est temps qu'on ait des possibilités à travers ces radios. Regardez, vous m'avez appelé, vous m'avez trouvé. C'est extraordinaire. Et je le dis, il faudrait que nos chefs commencent à faire comme ça, encourager ce genre d'initiative. Nous ne sommes pas les derniers. Le, professeur Chakanta Diop avait raison de dire que nous n'avons jamais été les derniers. Nous ne devons pas être les derniers. Professeur Ali Abdraman, on vous remercie. Je suis très content et vive ce que vous faites et puis que le Sahel s'élargisse au maximum et que l'expérience de M. Alpha, de M. Moussa Faki apporte quelque chose de nouveau dans la réflexion et que les gens se disent les Africains, ce n'est pas toujours des gens qui désespèrent. Amen. Professeur Ali Abdraman, recteur de l'université d'Injamena au Tchad, il était joint au téléphone par Mokhtar Hamadou. 18h passé de 44 minutes, nous entamons la deuxième partie de ce forum consacré à cette question d'accaparement des terres. Avec nous dans le studio, Diori Ibrahim, coordinateur de l'Observatoire du droit à l'alimentation du Niger, qui a sorti récemment un rapport sur cette question de bail des terres à DIFA. Autrement dit, il représente la partie qui est contre l'accord en cours de négociation avec la société Al-Hourach. Bonsoir, euh, Ibrahim Diori. Bonsoir. Et en ligne avec nous, Mayrou Malam Ligari, président du conseil régional de DIFA, l'un des acteurs principaux impliqués dans ce processus de mise en bail des terres à la société al Huraish, en termes clairs, représentant de la partie favorable à l'accord avec la société al Huraish. Bonsoir, euh, Mayrou Malam Ligari. bonsoir, monsieur. Euh, tout d'abord, pour planter le décor euh, de cette question, nous allons vous demander de nous dire de quoi il s'agit exactement cette question avec la société saoudienne al hurash euh, merci beaucoup. Donc, euh, la question avec euh, la société al hurash qui fait actuellement l'objet de beaucoup de débats organisés surtout par la société civile alternative citoyenne, euh, il s'agit euh, d'un contrat en partenariat public-privé, n'est-ce pas, euh, entre donc le Conseil régional de DIPA et la société al et pour la mise en exploitation donc de 50 000 hectares en première phase et, et une autre phase conditionnelle bien sûr qui va jusqu'à 120 000 hectares. Mhm. donc c'est pour vous dire que euh, c'est un projet qui a un ancrage institutionnel euh, très net et très clair. malheureusement, donc, la société civile a pris une communication euh, de nature à compromettre l'avancée du projet. nous pensons que tout simplement cela se fait sciemment, n'est-ce pas, Cela fait, se fait à des nous le comprenons, parce que tout simplement, nous savons certainement qu'ils sont en train de défendre l'intérêt d'autres firmes Vous pouvaient peut-être réaliser la, même chose à la place de al ou alors ils défendent l'intérêt des gros exportateurs de denrées alimentaires vers nos pays. Alors, nous allons revenir à vous, vous restez avec nous pour euh, aller euh, vers notre euh, invité qui est sur place. Donc, samedi dernier, samedi 28 janvier 2017, au niveau d'Alternative Espace Citoyen, une table ronde a été organisée sur le projet d'accaparement des terres euh, dans le bassin du lac Tchad au Niger. Cette table ronde a été l'occasion pour vous de discuter euh, donc du rapport réalisé par l'Observatoire du droit à l'alimentation au Niger, un rapport qui alarme sur les inconvénients d'un tel accord. Vous, Ibrahim Djori, euh, notamment dans ce rapport, vous dites que ce projet de la société al horesh est porteur de graves menaces sur les droits des Français, des communautés locales. Pourquoi dites-vous cela euh, merci. Je constate que peut-être le président du conseil euh, régional n'a pas encore lu le rapport d'alternative espace citoyen sur ce sujet. Nous avons mis sur la table trois catégories d'arguments par rapport à ce projet-là. La première catégorie d'arguments, c'est l'illégalité de la procédure au stade actuel. Je dis bien l'illégalité de la procédure parce que quand elle parle d'ancrage institutionnel, en vérité, nous sommes dans un état de droit. La première des choses dans une opération quelconque menée par une autorité de quelque niveau que ce soit, on regarde d'abord sa base légale. La base légale, c'est qu'au Niger, nous avons un certain nombre de textes qui organisent la procédure de passation de partenariat public-privé. C'est une ordonnance de 2011 avec son décret d'application. Au stade actuel, là, il est dit qu'on est admis un contrat de partenariat public-privé que pour la réalisation des services publics ou d'utilité publique qui relève de la compétence de l'autorité qui décide de mettre un secteur sous, ce forme, sur cette forme de délivrance des services publics. Au stade actuel, nous avons été à DIFA justement, on était même au conseil régional, il était absent. On a pris le document du projet, on a pris un projet d'accord qu'elle entend signer avec la société, nous l'avons parcouru, on, nous avons rencontré aussi les acteurs localement. Et nous avons constaté, un, au stade actuel, il n'y a aucun document qui déclare la zone d'utilité publique, parce que c'est une exigence première du point de vue de la loi. Et deuxièmement Et deuxièmement, c'est que la déclaration d'utilité publique ouvre, parce que l'article 4 du décret d'application de l'ordonnance dit il ne peut, on ne peut procéder aux passations de marché, de, de contrats de partenariat public et privé sans une étude juridique sur le sujet en question. Et c'est ça qui permet de faire l'inventaire de tous les droits qui s'exercent. Et il y a des lois spécifiques qui organisent tous les mécanismes de dédommagement de, de tous les acteurs qui s'exercent. Là, il n'y en a pas. La haute main a été donnée par la loi sur ces questions. Donc, nous avons essentiellement parcouru la dimension légale du point de vue maintenant de la pertinence du projet lui-même nous avons dit qu'il est contraire à l'option de l'article 146 de la Constitution, qui est la loi fondamentale du Niger qui oblige les politiques publiques au Niger, qu'elles soient définies par les collectivités territoriales ou par le gouvernement lui-même, à promouvoir la souveraineté alimentaire qui veut dire quoi, n'est-ce pas Qui veut dire que simplement il faut accompagner la capacité de production nationale et non de donner 120 000 hectares à une société étrangère qui viendra faire des affaires. Vous ne pouvez pas prouver l'utilité publique. Alors nous, allons, nous allons, nous allons allons demander au, président du conseil régional, Maïro Ligari, qui est en ligne avec nous, euh, de, réagir. Qu'avez-vous à répondre à, ce que vient de dire euh, Ibrahim Djori eh, Merci beaucoup. J'ai bien écouté Ibrahim Djori. Eh, Ibrahim Dori qui dit que certainement je n'ai pas lu leur rapport. Eh, alors, par ce qu'il vient de me dire, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas pris connaissance du dossier qui a été monté au niveau du Conseil régional pendant deux ans. Lequel dossier Le dossier d'étude de faisabilité. En fait, c'est une procédure. Nous sommes partis d'un cadre légal qui est le plan de développement économique et social du Niger, par lequel le gouvernement définit toutes les politiques publiques en matière de développement. Alors, le plan de développement économique et social du Niger, il se décline sur le plan de développement régional qui est son application au niveau territorial. Je ne sais pas de quelle loi vous parlez, ou peut-être de quel pays vous parlez. Mais quand vous parlez de cadre légal, je suis désolé. Alors, reconsultez le dossier que vous avez pris, vous verrez bien que toutes les étapes ont été respectées, justement, dans ce processus, pour que nous puissions arriver déjà à avoir la non-objection. Maintenant, votre problème, vous venez dans un détail. Or, vous êtes en train de mettre la charrue devant le bœuf. À quel niveau se trouve le stade euh, À quel stade se trouve euh, euh, l'étude actuellement pour que vous parliez, n'est-ce pas, de dédommagement Il y a ce qu'on appelle quand même l'étude d'impact social et environnemental. Ça, vous le savez bien. C'est une étape qu'il faut liquider. Et c'est en ce moment qu'on peut savoir s'il y a une terre de X ou Y et à quelle superficie la personne peut être dédommagée et de quelle manière elle sera dédommagée. Donc je pense que vous êtes, c'est pourquoi j'ai dit il y a une volonté tout simplement de mettre, de bloquer le projet. Sans quoi, nous avons des phases qui ne sont pas encore liquidées, ne sont pas, nous n'avons pas formulé totalement le projet dans ces différentes étapes avant que vous ne parliez de la spoliation ou d'accaparement. Vous attendez à ce que nous allons à la conclusion pour que vous puissiez vous exprimer. Mais je pense que c'est assez prématuré de votre part à un niveau d'étude de, faisabilité qui a reçu la non-objection sur la pertinence et l'envergure du projet pour que vous déclariez tout simplement que le projet n'est pas, pas bon pour le Niger. Alors nous allons lui laisser répondre. moi, je Pense que c'est assez subjectif comme, comme point de vue sur ces questions. Nous comprenons ça là également. Alors, Ibrahim Djori Permettez-moi simplement d'exprimer ma déception de voir une autorité de son rang prendre le, le programme de développement économique et social comme un texte de loi, comme une base légale ou un programme régional. Franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'il peut se baser sur ça pour parler de texte. Quand on parle de texte de loi, je pense qu'un citoyen ordinaire sait de quoi on parle. La première chose à faire, je dis bien, c'est d'abord de déclarer la zone d'utilité publique. C'est la première exigence de la loi. Cela n'a pas été euh, fait. Si c'est fait, qui nous donne le texte qui a déclaré une zone d'utilité publique. En dehors de la déclaration d'utilité publique, c'est ça qui ouvre la possibilité. Parce que ce sont des préalables. Aujourd'hui, nous avons vu le projet d'accord. Le Conseil régional, dans le projet d'accord qu'ils ont signé, s'est même engagé vis-à-vis vis à vis pour la signature d'accord, dans le contenu du projet d'accord, il prend des engagements qui ne relèvent pas de ses compétences. D'abord, c'est de dire qu'il va purger les droits qui s'exercent sur les terres et maintenant il va mettre le terrain à la disposition de la société al En droit, vous ne pouvez pas signer de contrats sur un terrain qui ne vous appartient pas. D'abord, les collectivités territoriales n'ont de compétences foncières qu'en matière urbaine. Ici, il s'agit justement des terrains purement de la zone rurale. Il n'y a, et en dehors de cela, le principe même le principe de partenariat public et privé pour mettre 120 000 hectares à la disposition d'une société étrangère, vous ne pouvez pas démontrer l'utilité publique de cette opération-là. Parce que simplement, il s'agit de faire des affaires. C'est une société qui va produire pour son compte. Et dans le projet d'étude de faisabilité, il est dit que ça va être reversé dans le marché. Il est cité même entre autres le Nigeria. La deuxième chose qu'il faut me permettre de souligner en cette matière-là, c'est que quand une société, parce qu'il y a deux moyens d'initier un partenariat public-privé. Permettez-moi de préciser qu'il s'agit des arguments solides que nous mettons sur la table prévus par la loi. Ce que si c'est l'État qui initie lui-même ou une entité publique, où c'est un particulier qui soumet une offre de partenariat public-privé. Dans ce cas d'espèce-là, c'est un particulier qui soumet une étude de faisabilité. Qu'est-ce que dit la loi Il qu'il faut prendre son étude de faisabilité et faire un dossier de mise à concurrence de mise à concurrence pour que tous ceux qui s'intéressent à un tel dossier viennent. On n'est pas dans ce cas de figure-là et on voit maintenant des projets d'accord. Or, pour nous, au-delà même de la question de la, violation de la procédure légale, le principe même de passation de partenariat public-privé pour, pour s'accaparer des 120 000 hectares, pour nous, c'est un gâchis et c'est dangereux. Et au Niger, il y a des précédents. Je peux lui fournir la lettre nous du directeur du nous cabinet. Allons, nous allons, la nous allons du permettre, du cabinet du président. Permettez-moi simplement de, de, de dans les détails. Nous allons lui permettre vous de dire tout simplement, oui, qu'il y a une, lettre du directeur du cabinet du président de la République, quand on parle d'accaparement des terres, qui a invalidé, y compris des titres fonciers, et qui a instruit le Conseil d'État, et c'est dans la région de, comment ce qu'on appelle, de, Tawa, où des individus, d'abord des Nigériens, ont fait même basse sur les vastes superficies des terres pastorales qui sont par nature des domaines publics n'est-ce pas Et donc, il faut bien que les gens s'informent. Et je pense que dans ce cas de figure, c'est lui, visiblement, qui est en train de faire le jeu d'une multinationale étrangère, parce que simplement, peut-être, elle a été corrompue pour faire les, ça. Les, les Gary Malam, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, répondez euh, euh, Je pense que euh, il faut que le monsieur remue bien sa langue avant de parler. Il est en train de parler de corruption dans ce dossier. Alors, si c'est pour faire un débat comme ça, je pense que ce n'est pas le lieu. A-t-il compris le dossier de quoi nous voulons parler actuellement Nous voulons parler de la faisabilité d'un projet. Il parle de corruption parce que quelqu'un a été corrompu dans ce dossier. Eh bien, je lui renvoie la balle. Lui, pour qui il tourne Pour qui il roule Qui lui finance le ah, les débats qu'ils sont en train de faire Qu'ils me le disent. Nous, je suis désolé, nous ne sommes pas là pour, demander à X ou Y euh, pour qui nous, roulons, simplement pour, permettre aux auditeurs de, comprendre de quoi il s'agit. Et, autre chose, je me permets, c'est que dans, le rapport en question, il est dit que les impacts environnementaux et socio-économiques euh, n'ont jamais été euh, l'objet d'une contre-évaluation indépendante. Qu'est-ce que vous, vous, réagissez, vous dites euh, par rapport à cela, M. Mayrou Voilà, je suis désolé, il manque d'arguments. Il manque d'arguments, puisqu'il commence déjà à dégénérer en parlant de parce que quelqu'un a été corrompu. Il, dit que quelqu'un a été corrompu. S'il vous plaît, et il veut que nous continuions le débat sur ce dossier. Est-ce qu'il, franchement, il dit qu'il a des arguments sur la table Et ce sont, ce ces arguments, il les a trouvés quelque part. Il retient bien ce qu'il a dit. Hein. Moi, je vais le confronter et qu'il doit sortir la preuve de ce qu'il a dit. alors, nous, ce que nous demandons. Moi, je l'interpelle, il va donner la preuve de ce qu'il a dit. Et vous, vous l'avez entendu. Alors, alors, monsieur, le président du conseil régional des DIFA. Oui, je suis le président du conseil régional. Voilà, il, suffit, nous, nous voulons. Euh, non, monsieur, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, ça devient autre chose. Alors, moi, je le prends à ce mot et il va bien devoir me donner la preuve. J'arrête ce débat comme ça. Il faut bien qu'il me donne ses preuves. Parce qu'il a dit bien qu'il a des arguments sur la table. Et c'est bien ça, ses arguments. Il va me les répondre et il faut qu'il donne ses preuves. À 18h, euh, Je, je, tout de suite, les importateurs-exportateurs pour lesquels nous roulons, Qu'est-ce qu'il met sur la table sur ce nous, plan Nous sommes au terme du forum de ce soir que nous sommes obligés d'arrêter ici. Il s'agit de sauver 120 000 hectares. nous, sommes à la fin du forum. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Euh, rendez-vous demain, même heure, pour euh, une autre édition.